le forum du studio Kalam le forum du studio Kalam le forum du studio Kalam le forum du studio Kalam le forum du studio le forum du studio Kalam le forum du studio Kalam le forum studio forum studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. L'actualité de la semaine a été marquée par la situation socio-économique et sécuritaire dans la région de Difa avec en toile de fond la démission ou le limosage du gouverneur de Difa, Mohamed Bakabe, la levée de l'interdiction des activités de la pêche et de la production du poivrons et l'opération de ratissage de l'armée nigérienne contre Boko Haram. Et cette affaire de 800 kg de cocaïne saisie samedi par la police bissau-guinéenne dans laquelle euh, plusieurs personnes sont présumées impliquées, dont un conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir en ligne euh, Boukar Sedikali, journaliste et analyste politique. Boukar Sedikali, bonsoir. Bonsoir. Alhaj Mohamedou Souleyman du journal en ligne Niger Inter. Alhaj Mohamedou Souleyman, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous dans le forum de la presse que nous ouvrons par la situation socio-économique et sécuritaire dans la région de Difa. Le gouverneur de la région de Difa aurait démissionné la semaine dernière. Mahamadou Bakabé a confirmé à notre correspondant local qu'il a démissionné de ses fonctions de gouverneur de Difa. Cependant, il n'a pas donné euh, les raisons à notre correspondant qu'il a contacté le même jour au téléphone. Boukara Sedikali, vous êtes à DIFA. Avez-vous des précisions sur la démission de l'ex-gouverneur de DIFA, Mohamedou Bakabi ben, Écoutez, moi je ne peux pas vous dire que je suis dans le secret de l'homme parce qu'il a ses raisons personnelles, comme il a dit. Donc la décision, elle est purement euh, personnelle. il a dû certainement bien réfléchir avant de le faire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est-à-dire euh, une personnalité de son rang, et qui a une responsabilité aussi énorme comme celle de, de et dans une région vraiment confrontée à une situation exceptionnelle comme la région de Difa, moi je pense que ce n'est jamais une bonne chose. les, gens, les uns parlent de démission, mais ce qui est sûr, euh, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle a été démise de ses fonctions, c'est clair. Donc euh, les autorités, les plus hautes autorités qui ont pris cette décision, elles ont dû certainement motiver vraiment leur décision. Et, eh, eh, tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'il est parti. Eh, un nouveau est venu. L'État, c'est la continuité. Et les infrastructures et les services de l'État fonctionnent normalement. La région est en train de vaquer à ses occupations de façon normale. Et aujourd'hui, je crois que cela n'a pas beaucoup impacté sur euh, vraiment la vie de la région. Alors, Boukar Sidikali, euh, donc, euh, donc, cette démission n'aura aucune conséquence sur euh, la bonne marche de la région, dans la région du Difa, en ce qui concerne du côté institutionnel. Vous savez, l'État est représenté de façon c'est-à-dire après le gouverneur, il y a le secrétaire général, le secrétaire général après le SIA, J'avoue, DIFA, il y a vraiment beaucoup d'autorités parce qu'il y a déjà le président du conseil régional qui est là, il y a le maire de DIFA qui est là, il y a de l'autre côté un préfet qui est là. Donc je crois que l'appareil d'État est tellement bien étoffé que cela ne peut pas vraiment du tout avoir des conséquences. C'est une région aujourd'hui qui est préparée en conséquence, qui a vraiment en tout cas aujourd'hui toutes les vraiment aptitudes nécessaires pour faire face à la situation à la fois sécuritaire, économique et sociale. Donc la démission d'un gouverneur pour des raisons personnelles, je ne pense pas que cela puisse vraiment en tout cas handicaper le fonctionnement de l'État. L'âge Mohamedou Souleymane, l'on parle également du limousage de l'ex-gouverneur de DIFA qui a été aussitôt remplacé en Conseil des ministres par euh, le même, euh, le même jour. Y a-t-il des rendus au sujet de cette démission ou limosage euh, lorsque la semaine passée, euh, nous avons cette information sur euh, les, réseaux, sociaux, Niger nous avons procédé à un fact-checking, à savoir. Ça veut dire que ça veut dire. On a vérifié, en fait, on a seulement dit qu'il a démissionné. Et ouais, pour les prochain de l'information, l'information n'est pas complète. Pourquoi il a démissionné Il n'y a pas le pourquoi. Mais quand on a vérifié, et en réalité, il n'a pas démissionné. Il a été, il, est, en fait, il a anticipé son limogeage. Et vous savez, le même jour, le Conseil des ministres euh, a effectivement procédé à son remplacement. donc, est-ce que cela, c'est une stratégie euh, de communication Bon, euh, vous savez, comme on dit, il faut savoir le, quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Souvent, c'est une stratégie. Et pour faire un camouflet. bref, dans tous les cas, moi, je, nous avons même avancé la raison il serait en tout cas impliqué dans une malversation de, en tout cas des fonds destinés aux services humanitaires. le Conseil des ministres n'a pas dit ça. Mais justement, on a dit qu'il est appelé à d'autres fonctions. Et ça, je pense que c'est une façon de faire du pouvoir pour protéger un allié. Et c'est pourquoi nous avons dit que véritablement, euh, euh, à partir des éléments avancés, si on est dans une situation normale, le procureur doit se saisir en tout cas pour vérifier parce qu'en fait, selon nos informations, l'affaire remonte même un peu plus euh, avant sa gestion. Donc, il y a une certaine euh, euh, situation qui est créée où les responsables détournent les fonds destinés vraiment aux, en tout cas aux victimes. vous voyez, franchement, pendant c'est assez gênant dans un pays normal. déjà, les populations sont dans une situation vraiment très éprouvante. Lorsque les responsables qui sont censés véritablement accompagner cette discussion. Mohamed Suleiman, est-ce que votre source est fiable En fait, vous savez, il y a une limite entre le travail de, journaliste et le travail de, de, de juge. Nous avons avancé un certain nombre d'éléments d'information. Maintenant, je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est de, comme on dit, lever les le lèvres. Il faut vérifier cette information maintenant, quitte à, en dire qu'on a, a, menti. Vous voyez un peu. Mais franchement parlant, euh, nous, pensons que c'est suffisamment grave. Euh, euh, si les faits sont avérés. absolument. Notre source, en tout cas, elle est très fiable et nous avons, on n'a même pas mis du conditionnel parce que d'habitude, prendre des précautions journalistiques, mais nous avons été très, très affirmatifs pour dire que, en fait, voilà les raisons pour lesquelles il a été démis. Et maintenant, justement, que le conseil de ministre vienne dire le soir qu'il est appelé à d'autres fonctions, on n'a pas encore précisé où il va. Donc franchement, on pense que c'est un allié, il fallait trouver une forme pour le faire partir. Euh, nous pensons que franchement, c'est gênant moi je suis en train de voir cette situation assez grave dans la, cette région, en tout cas de DIFA, avec le moment de sécurité, lorsque les dirigeants, en tout cas, créent une sorte de mafia pour, en tout cas, détourner les ressources qui sont destinées à, en tout cas, aider les, euh, les, euh, populations, surtout vulnérables. Franchement, on doit faire la lumière, en tout cas, pour qu'on puisse euh, avancer. Je pense que c'est dit que notre conférence se dit que, euh, place pourrait, en tout cas, creuser, davantage. davantage pour nous amener plus des éléments plus probants. <laughs> Issa Madougou, euh, avant Mahamadou Bakabe, euh, Maman Lawali Dandono a lui aussi démissionné de son poste de gouverneur. Les deux situations ne sont pas similaires, mais comment comprendre cette cascade de démission une, euh, pour une région comme Difa C'est vrai, vous l'avez notifié, c'est n'est pas la même situation parce que Maman eh, Laol Danda, lui, eh, Dandano, a démissionné parce que son parti a quitté la majorité présidentielle. Et il faut saluer cela, il faut être courageux. Quand vous ne faites plus partie du système, il faut partir du système. Ça, ce n'est pas euh, vraiment euh, similaire à ce qui vient de se passer. De toutes les façons, le mot démission, moi, je me dis que démissionner, ce n'est pas une qualité chez nos hommes, nos politiciens au Niger. Donc, sûrement, l'information a fuité qu'il va être, parce que aussitôt la nuit, le, parmi les décisions du Conseil des ministres, l'opinion nationale a appris qu'il a été changé. Il y a un nouveau gouverneur qui a été nommé. Il est appelé à d'autres fonctions. on prend les faits. On ne peut pas dire forcément qu'il y a. Est-ce que cela a été, a été une surprise pour vous Surprise, non. Parce que quand on, on, peut, on peut faire les liens avec les faits qui se sont déroulés bien avant, on parle d'une inspection qui avait est dans la région. Et si vous vous rappelez, le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation de la sécurité publique avait mené une mission là-bas. Euh, était, oui, était dans la région où il avait échangé avec les populations, où il y avait vraiment des préoccupations majeures qui ont été soulevées par rapport à la gestion de la crise humanitaire. On parle d'un complot entre les autorités de la région et certains humanitaires qui se permettent aujourd'hui de ne pas directionner l'aide humanitaire qu'il faut vers les vrais bénéficiaires. Et si vous vous rappelez, il y a même un audio qui a circulé du ministre où il a promis aux ces populations de, de, faire, rendre justice. Et vous avez vu, ce n'était pas lui. peut-être qu'il avait senti le coup venir parce qu'il y avait eu une, série de décisions. Beaucoup de gens de responsables ont été relevés de leurs fonctions parce que c'était une situation incompréhensible. Parce que du moment où le pouvoir en place essaie de faire des efforts, vous qui êtes chargé de représenter et de, donner une bonne image de la promptitude de la réaction de l'État nigérien auprès de ces populations vulnérables, vous êtes trempé dans des histoires de détournement. Alors moi je pense que c'est une aberration, c'est même vraiment une trahison c'est normal que l'État prenne des décisions, mais démissionner, moi, je pense que c'est juste un coup de pub parce que dans, euh, dans les qualités de nos politiciens, euh, mais connaissant pour ajouter quelque chose, je ne pense pas que Bakave puisse être. Parce que si vous vous rappelez, dans l'histoire, c'était l'un des vrais artisans du Tazake. Adifa, le sourire est revenu sur les lèvres des pêcheurs et producteurs de poivrons. Un message audio de la semaine dernière émanant des autorités militaires a confirmé la levée de l'interdiction de ces deux activités suspendues en 2016. Ibrahim Chetima, euh, membre de l'association euh, des producteurs et pêcheurs de Difa, s'est prononcé au micro de notre correspondant local, Lawan Boukar. la pêche, l'agriculture, l'élevage sont les activités phares de la région et ça apporte beaucoup pour la région. Depuis années qu'on avait la levée de l'intersection, nous sommes pleins de joie. Tout le monde est content. C'est le cadeau de l'anniversaire que nous a offert l'État, d'après ce que nous sentons. Si vous prenez le nombre de tonnages du poivron, du poisson qui sort de la région et qu'on prend le revenu que gagne même l'État en dehors de la population, c'est un manque à gagner durant les 5 ans. Et nous comptons encore que d'autres introductions soient levées. Durant tous les 5 ans, la région s'est appauvrie, les gens sont appauvris, les gens n'ont rien à manger, les gens n'ont pas de, joie de leur visage. encore, je lance un appel à l'égard de mes camarades, de mes amis encore producteurs, d'être très vigilants et très francs à l'égard de la vente de ces produits qu'on a levé l'introduction. Boukar Sidi Kali, vous êtes à Difa. Comment cette nouvelle situation est vécue par les populations de Difa Écoutez, c'est un ouf de soulagement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, toute la population, y compris les autorités, puisque cette situation n'est pas seulement profitable à la population, c'est aussi profitable quand même à l'administration, parce que ça a vraiment en tout cas implications d'ordre économique. Donc euh, c'est vraiment un bouffet d'oxygène pour toute la région. Et aujourd'hui, on constate quand même que quelque part, euh, l'économie de la zone est en train de se réveiller. Il suffit quand même de jeter un coup d'œil au niveau des marchés qui sont suffisamment achalandés. Et comme par miracle, en moins de quelques jours, on constate que la ville commence vraiment, en tout cas, à retrouver vraiment, en tout cas, ses, lettres de noblesse, comme on dit, dans le secteur quand même de la production de poivrons et, de du poisson. Euh, et, ne serait-ce qu'hier, quand on a fait un tour vraiment dans le marché, on a constaté partout la population en train vraiment, en tout cas, de donner vraiment, en tout cas, à, des échanges. Et je crois que euh, cette euh, levée de cette mesure euh, est vraiment été quelque chose de très salutaire. L'État a très bien fait. Mais les autorités aussi sont très prudentes par rapport vraiment, en tout cas, à comment gérer cette levée, parce que <laughs> il faut faire attention aussi pour que ces bandits ne puissent pas profiter quand même vraiment de cette levée pour non seulement introduire des armes, mais aussi pour ne pas aussi euh, vraiment, en tout cas, rentrer dans des manœuvres euh, frauduleuses pour se, euh, donner vraiment à un commerce, vraiment, en tout cas, de ces matières, pour éventuellement avoir des devises. Donc tout ça, je crois qu'au niveau de la région, j'ai constaté quand même que les autorités sont assez vigilantes, des dispositions et des douanes ont été prises, et que vraiment, en tout cas, aujourd'hui, voilà, et le chef traditionnel et les populations leaders de, de tout le monde salue cette mesure. Issa cette décision suffit-elle à soulager les populations de cette partie du Niger je crois bien que c'est un premier pas à saluer parce que vous savez, depuis cinq ans, cette euh, partie du Niger, l'actualité est très suivie parce que du fait de cette situation d'insécurité qui est imposée par suite aux assauts répétés de la, euh, de la secte Boko Haram, ce n'est pas de guetter le cœur ou bien ce n'est pas d'un seul coup que l'État a pris cette décision. Ce n'est pas contre les populations que l'État a pris cette décision. C'est parce qu'on ne sait pas qui, à un moment, on ne sait pas qui est réellement élément de Boko Haram. Il y a, eh, comment comme on appelle, des infiltrations. Il y a des attaques répétées. Et où il y a chaque jour de mort d'hommes. Donc il fallait prendre des mesures pour pouvoir contrer eh, l'invasion de ces terroristes. Moi je pense que maintenant, c'est qu'il faut trouver, ça, aux autorités locales de trouver des moyens pour qu'on on, encadre ces zones de culture, que ces zones de culture puissent être protégées. Parce que l'État aussi va gagner. Ce n'est pas seulement les populations, parce qu'à travers, c'est des impôts qui vont, seront payés. Donc l'État gagne. Les taxes. Donc l'État gagne et les populations vont gagner. Maintenant, c'est à l'État aujourd'hui, après avoir levé l'interdiction, de trouver des mesures ou des mécanismes pour que vraiment c'est cette sécurité qui a conditionné la levée de cette euh, euh, mesure donc puisse être pérenne. Moi, je pense que c'est un premier pas à saluer, mais quand même, il faut être vigilant et aux producteurs et aux pêcheurs de vraiment de s'investir pour pérenniser cette situation en collaborant avec les forces de défense et de sécurité. Elhaj Mohamed Souleyman, d'autres décisions sont-elles envisageables euh, moi, franchement, quand j'ai appris cette information, je ne suis pas du tout surpris parce que j'avais participé à un atelier de restitution d'une étude dans ce sens qui a été faite par le CNES. Euh, le CNES, le, Centre, national d'études stratégiques euh, sur la, sécurité. donc, et voilà, je pense que voilà une institution, en tout cas, qui a toute sa place parce que vraiment des experts sont allés sur le terrain donner la parole aux populations, aux chefs traditionnels, vraiment aux acteurs, aux, dirigeants, pour vraiment faire l'état du lieu, quel est l'impact euh, de cette situation, en tout cas le fait de priver de la, de la culture du, poivron et, du poisson, effectivement, ils ont donné des chiffres vraiment euh, faramineux. Et, Sans vous couper, à l'âge Mahmoud Suleiman, malgré euh, l'interdiction euh, de, de, ces deux activités, des attaques ont quand même se sont répétées. Justement, c'est pourquoi l'étude a recommandé d'autoriser donc ces activités, mais encadrées sur le plan sécuritaire. Comme on est dans un contexte, donc, une étude qui tient compte des dimensions donc, économiques et sécuritaires. Donc vraiment, c'est un tout et je pense que ça permet de, vraiment de donner euh, un canevas, franchement, de manière rationnelle, comment gérer cette situation. Parce que véritablement, euh, perdurer euh, l'interdiction, on sent déjà le poids économique, en tout cas, euh, on peut, ils ont même établi le fait que si ça continue, l'interdiction continue, c'est donc une sorte de terreau euh, pour le terrorisme. Autrement dit, les Boko Haram vont encore recruter les jeunes qui sont désœuvrés. Euh, donc, euh, je pense que il me paraît évident que les attaques dont vous parlez, effectivement, c'est général. Ça va, ils vont toujours attaquer jusqu'à ce que les FDS viennent à bout, en tout cas, de, ces, de ces, forces Je pense que c'est de bonnes guerres, mais je pense que les efforts qui sont en, cas en train d'être faits envoient de plus en plus. Euh, des actions offensives pour aller les dénicher là où ils sont, on pense que véritablement, il, est permis d'espérer, en tout cas, dans cette situation au niveau de, de, DIFA. Mercredi, six militaires nigériens ont trouvé la mort après l'explosion d'un véhicule piégé par des éléments supposés de Boko Haram à Au Boukara Sedikali, vous avez d'autres euh, apparemment Bukhara Sidikali, nous avons perdu la ligne. à euh, l'âge Mohamedou Suleiman, comment comprendre ce nouveau mode opératoire des terroristes la euh, semaine, on donne aussi des informations très positives qui montrent combien le FDS aussi ont fait de prouesse vous savez, en réalité, moi je le répète toujours que les terroristes ont un mode opératoire, à savoir, ce n'est pas dans un conflit traditionnel, c'est vraiment une guerre asymétrique. Ils vont toujours surprendre. Et j'ai dit, dans ces conditions, même à Niamey, ils peuvent frapper au cœur, en tout cas de la ville de Niamey, parce que simplement, ils procèdent vraiment, ils prennent du temps pour préparer leur, leur action et ce que je les c'est de, de, surprise et maintenant attendre l'impact à travers donc, la communication, les médias pour euh, l'action. leur, action. Donc, ce qui fait que je pense qu'on oh, n'a pas à, s'étonner. Euh, partout, les, terroristes, en tout cas, on, les capitales euh, des, pays, les plus puissants, en tout cas, sont frappés. Donc, franchement, c'est de redoubler de, vigilance, en tout cas, au niveau des des forces de, et, de, sécurité en termes de renseignements. C'est ce qu'il faut dire. Quoi. Mais sinon, on ne peut pas, de façon définitive, euh, en tout cas, euh, euh, prévoir en tout cas leur action. C'est ce que moi je. Issa les attaques semblent à ne pas finir dans cette partie du Niger. Comment l'expliquer Mais vous savez, il ne faut pas perdre de vue dans cette situation aucun fait qui a pu se passer antérieurement. Vous savez qu'en en, fin d'année, Boko Haram avait intensifié ses attaques au niveau du Nigeria. Ils se sont procurés d'armes, de véhicules, donc tout ça, c'est des choses que nous devrons prendre en compte qui peut impacter aujourd'hui sur notre sécurité. Et c'est ça, aujourd'hui, quand vous avez vu Tumour, et toutes ces attaques, c'est parce qu'ils sont venus en véhicule où ils ont trouvé le véhicule. C'est certainement le véhicule qu'ils ont pris avec la Nigerian Army Force. C'est ça. Aujourd'hui, nous, notre pays, par exemple le Niger, tous ceux qui nous viennent, ce n'est pas qu'ils sont au niveau sur le territoire nigérien, mais c'est des assauts qui nous viennent de l'autre côté de la frontière. Voilà un peu la problématique. Nos forces de défense et de sécurité font vraiment un travail exceptionnel à encourager. C'est pour cela, moi, j'aimerais même que, au-delà de ce qui est se passer, ces encouragements, que nous devrons encore manifester pour leur dire que ils ont tout le peuple nigérien derrière eux. C'est vrai, c'est une guerre, eh, Alain Suleiman l'a dit, c'est pas une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. Eux, ils sont dans une posture d'effet de guerre, de, de publicité. Donc, les terroristes attaquent pour attirer l'attention non pas pour endeuiller, attirer l'attention, faire euh, un coup de pub pour eux, pour dire qu'ils sont là. Mais de toutes les façons, moi je sais que nos 20 forces de défense de sécurité ont les capacités. Aujourd'hui, ils ont besoin de nos prières et de notre soutien pour encore combattre ces gens-là qui aujourd'hui terrorisent les populations. Et les populations de leur côté, aujourd'hui, il faut qu'ils facilitent. On ne cessera jamais de le dire, faciliter la tâche aux forces de défense et de sécurité en leur donnant les informations à temps réel, en leur informant, en collaborant efficacement. Et c'est en ce sens que nous pouvons venir à bout de cette secte terroriste. Sedi Sedikali, avez-vous d'autres informations sur cette attaque des éléments de Boko Haram, mais repoussée par l'armée nigérienne Écoutez, je crois que euh, on ne peut pas avoir la même lecture de la réalité étant ou à Niamey ou à l'intérieur du pays. C'est-à-dire selon qu'on soit à Difa ou au niveau national, c'est euh, c'est toujours un peu complexe. C'est un peu différent la lecture. Ici, ce que nous nous constatons, euh, nous voyons des forces de défense et de sécurité qui sont quand même euh, moralement très aguerries, exemple des hommes suffisamment armés. On constate des gens qui ont un moral d'acier et qui font leur travail de façon remarquable et la population le sait gré. Hier, rien que hier, euh, j'ai rencontré des chefs traditionnels du village de Pugna avec qui on a échangé. Dans leur intégralité, les gens quand même sont très satisfaits de l'action que mènent ces FDS, ces jeunes aujourd'hui qui sont vraiment braves, et qui sont conscients de leur devoir quand même de protection de la population et de la défense de la patrie. Et ne serait-ce que hier seulement, vous avez dû remarquer le communiqué du ministère de la Défense. Et chaque fois qu'ils sortent, euh, vraiment, ils portent un coup dur à la secte Boko Haram. Mais il se trouve que quelque part aussi, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça l'a dit, euh, la secte est dans une posture de marketing et de publicité. Chaque fois, ils s'attaquent euh, à des populations paisibles, ils tuent des personnes, ils se replient, ou alors ils se prennent les forces de l'ordre avec euh, de l'armement qu'ils ont prélevé de l'autre côté. Mais en ce qui concerne le Niger, quand même, je constate que vraiment aujourd'hui, la ville de Difa est à l'intérieur. J'ai été à Guigimi, j'ai fait Ngoti. Quand même, euh, il y a une situation de calme remarquable. La population est moralement, vraiment, en tout cas, très rassurée les forces de défense le font leur travail. je crois que euh, c'est une guerre qui n'est pas très facile parce que euh, <laughs> les forces de défense sont quand même dans une logique quand même républicaine parce qu'ils doivent défendre non seulement la population et le territoire, mais quelque part aussi doivent respecter quand même les notions des droits de l'homme et les droits des personnes. vous, mais de l'autre côté, c'est des bandits qui n'ont ni foi ni loi, qui s'attaquent vraiment intéressant, distinguo vraiment à des cibles, souvent à la population, souvent à l'armée, souvent vraiment en tout cas euh, à tout ce qui passe vous et ce n'est pas la même logique, mais quand même, il faut saluer l'effort vraiment, en tout de ces enfants de la République. Et moi, personnellement, je leur tire un chapeau. IFA, 33 euh, terroristes tués mardi dans une vaste opération de ratissage engagée par les forces armées nigériennes depuis samedi dans la zone du lac Tchad, rapporte un communiqué du ministère nigérien de la Défense nationale publié, publié le même jour. Côté forces de défense et de sécurité, aucune perte en vie humaine ni même en matériel euh, n'est à déplorer, conclut le communiqué. Euh, Boukar Sidikali, avez-vous d'autres précisions sur cette nouvelle prouesse de l'armée nigérienne dans le lit de la Komadougou Yobé ce que je tiens aussi à souligner et qui est très positif, c'est qu'il euh, y a une sorte vraiment, en tout cas, d'entente, c'est-à-dire de, confiance absolue de la population vis-à-vis de ces forces. Et au début, c'est ce qui manquait certainement parce que les débuts sont, ont toujours été difficiles. Mais aujourd'hui, on constate que la population est en phase avec son armée. Et chaque fois que la population, par exemple, euh, euh, les forces de défense de sécurité sortent, elle porte un coup dur euh, de l'autre côté à Boko Haram, la population manifeste sa joie et les gens, vraiment, en tout cas, ne cachent pas leur satisfaction. Ça, c'est un élément extrêmement positif. Quand vous prenez par exemple certains accidents tels que ce qui s'est passé à Toumar avant-hier, euh, ce n'est pas une attaque de Boko Haram qui a fait que vraiment nos frères sont tombés, mais c'était un agent bourré d'explosifs, voyez-vous, qui a explosé. Et maintenant, euh, malheureusement, euh, ça a coûté la vie vraiment à certains de nos frères. Donc, voyez-vous, au début, les gens ne comprennent pas très bien, mais aujourd'hui, la population dans son ensemble, sans distinguo, que ce soit l'administration, les fonctionnaires, les populations civiles, les agriculteurs, les éleveurs, tout le monde soutient l'armée à 100%. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement positif. Et quand dans un pays, vraiment, en tout cas, une armée se retrouve en phase avec sa population, je pense qu'il n'y a pas meilleur vraiment levain que ça. Et aujourd'hui, ça, c'est une réalité à différents. Elhaj Mahmoud Souleiman, comment faire pour restaurer la libre circulation des personnes et de leurs biens dans cette partie du Niger ben, Je pense que c'est ce sur quoi les FDS, euh, les autorités s'attellent. Euh, euh, il y a que, il faut le dire, la participation de la population est aussi nécessaire. La collaboration, la collaboration en termes de renseignement en termes euh, d'information euh, parce que euh, à dix fois, moi, j'ai échangé avec un militaire qui a séjourné, il nous a confié pendant trois ans là-bas. Il dit une des difficultés, c'est que souvent, même après une attaque dans un village, vous venez, vous ne pouvez pas avoir de renseignements parce que les populations avaient peur de représailles. Mais je pense qu'avec la nouvelle dynamique où l'armée véritablement est présente euh, avec même euh, des actions offensives, je pense qu'il y a plus de craintes, euh, on peut dire. donc, en tout cas, c'est vraiment non seulement les efforts des autorités, mais lorsque effectivement la population ne collabore pas, parce que certains, vraiment, c'est des fils du terroir, de, de, de, terroir qui sont dans une situation peut-être, le chômage les a amenés à être peut-être sensible à ce discours euh, donc des terroristes. Mais je pense avec la nouvelle perspective, notamment économique, parce que euh, je pense que la culture du poivron et euh, la pêche permettent vraiment à, aux jeunes, en tout cas d'autres projets certainement, qui sont donc conçus par les autorités ou bien par les partenaires. Je, pense qu'il vaut mieux revenir dans la logique républicaine, chercher vraiment à trouver son, donc, euh, selon vous, euh, la levée euh, de l'interdiction de ces deux activités, la pêche et la culture des poivrons, permettra de restaurer la confiance ou bien de ramener la confiance entre la population et les forces de défense et de sécurité. Sur le plan économique, il va davantage souffler hein, parce que quand même, c'est des pertes énormes. L'apport du poivron et du poisson dans l'économie de DIFA, en tout cas, c'est établi par les en tout cas, c'est vraiment très, très important. Donc, euh, ce n'est que partie remise. Euh, le fait de revenir, en tout cas, je pense que ceux qui profitent de cette économie, en tout cas, certains producteurs qui sont désœuvrés depuis quelques, quelques années, je pense que c'est l'occasion de revenir à des meilleurs sentiments, euh, être proactif, vraiment se remettre, en tout cas, dans la nouvelle dynamique à savoir que tout ce qui a été fait, comme l'a dit Sidic, c'était vraiment de manière préventive, c'était des précautions. Euh, qui ont été en tout cas envisagées, parce que simplement, euh, euh, la sécurité vient avant tout. donc, je pense que c'était une question de temps. Il est établi que c'était contre-productif, en tout cas, de continuer à garder ces mesures, s'élever. Donc, il va falloir que vraiment, la main dans la main, que autorité et population, qu'on puisse vraiment s'inscrire dans une nouvelle dynamique, à savoir que restaurer euh, donc, euh, la confiance. et aussi ces euh, ses activités productives au niveau de DIFA, en tout cas pour que DIFA puisse vraiment retrouver sa place au niveau donc, économique et de la vie sociale. je pense que c'est très important. Issa Madougou, peut-on espérer le retour de la sécurité dans la région de DIFA pour bientôt Bon, écoutez, déjà, il y a quelque chose d'appréciable appréciable qui est en train d'être fait à travers ces décisions dont on vient de parler. Parce que, Alain, je l'a dit, aujourd'hui, la reprise des activités de pêche et agricole va vraiment avoir un impact sur le taux de recrutement de, combattants par Boko Haram parce qu'ils recrutent plus ceux qui sont désœuvrés, ceux qui n'ont plus l'espoir de vivre, ceux qui ne croient plus à une vie meilleure. Donc aujourd'hui, ils ont une activité qui procure vraiment, qui génère des ressources euh, euh, importantes pour eux. Maintenant, il y a aussi ces ratissages de l'armée nigérienne qui rassure les populations, qui sent, c'est dit qu'il avait notifié, on sent vraiment une population qui est en phase et c'est ça qu'il faut aujourd'hui exploiter pour que ça s'élargisse au niveau de toute la région, de toute cette zone du lac Tchad. Il faut qu'aujourd'hui on sent comment on appelle, cette harmonie, cette collaboration, cette synergie, cette convergence de visions et d'idées entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Parce que ces ratissages, il faut le dire aussi, parfois, pour que ça aboutisse à de tels résultats appréciables, il, a fallu la, la, population qui a collaboré. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que cette dynamique actuelle, ces attaques qui sont repoussées, ces ratissages et aujourd'hui, le retour des activités économiques qui Suleiman l'avait notifié, qui va placer DIFA, replacer DIFA dans son rôle de, pôle économique et de pôle social euh, de, de, la vie de notre nation. Moi, je pense que petit à petit, nous, allons parvenir à un résultat vraiment concret. Mais cela n'empêche pas aujourd'hui aussi que nous appelons vraiment à la collaboration de notre grand voisin. Il faut que nos notre grand voisin, le Nigeria, puisse vraiment bouger un peu pour qu'on puisse vraiment venir à bout de, cette nébuleuse. l'Assemblée nationale du Niger n'a rien à voir avec euh, ces faits et même s'ils sont avérés, l'institution serait ni de près ni de loin mêlée à cela. C'est la réaction du Parlement nigérien après l'arrestation d'un conseiller spécial du président du Parlement nigérien présumé impliqué dans le trafic de drogue en Guinée-Bissau samedi. Kemogo Boubacar, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Niger, au micro de Gungu Maman Dantani. Je le dis de la plus claire des voix, l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec ces faits. Même si elles étaient avérées, l'ancienne Assemblée nationale ne saurait ni de près ni de loin avoir affaire avec cela. Je voudrais préciser une chose aussi. Le document qu'on a trouvé en sa possession, c'est juste un badge d'accès à l'Assemblée nationale. On ne le couvre en rien. C'est un conseiller spécial nommé comme euh, d'autres. Il n'a pas de lien, ni personnel, ni familial avec qui que ce soit à l'Assemblée nationale. C'est un citoyen nigérien, il n'est pas rémunéré par l'Assemblée nationale, comme tous les autres conseillers. Moi, je parle en tant que responsable de l'administration. Je voudrais démentir tout lien de quelque nature que ce soit avec ce que cet individu peut faire au Niger ou ailleurs. Boukara Sedikali, quelle est votre réaction, votre analyse au sujet de cette affaire Écoutez, je viens d'écouter la réaction de M. Tchemogo, mais je suis totalement euh, navré de le dire. Euh, si vraiment une institution aussi prestigieuse que l'Assemblée euh, se trouve être citée d'une manière ou d'une autre dans une affaire rocambolesque de cette euh, nature, quelque part, son image va être écornée, ça c'est clair. Mais maintenant, la grande question, c'est qu'il vient de dire qu'il n'est pas rémunéré. Et c'est vrai, depuis un certain temps, tout le monde a remarqué que l'Assemblée distribue des bagues d'accès vraiment à beaucoup de gens. Ben, on rencontre même plusieurs dizaines, moi personnellement, je connais au moins une dizaine, de conseillers sans salaire. Cette notion, on l'a vu que au niveau du Parlement nigérien. Euh, donc aujourd'hui, ces gens-là, quand on leur donne des badges et qui portent Vous de Boukar il s'agit d'un conseiller spécial. Oui, un conseiller spécial. J'en connais d'autres qui, sont même des conseillers sans salaire. Vous, ça veut dire que ces conseillers-là, Aujourd'hui, si c'est un conseiller spécial du président de euh, l'Assemblée, qui se retrouve vraiment au cœur d'un trafic de drogue, le Parlement doit demander immédiatement une enquête parlementaire. Bah, au lieu de sortir tout laconiquement, par exemple, dire que celui-ci n'a rien à voir avec le Parlement, mais est la signature de l'Assemblée, est l'armoirie de la République, est le, logo de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, c'est un conseil du président de, l'Assemblée. Euh, le mieux, c'est qu'il faut demander une enquête parlementaire, voyez-vous, qui va déterminer les responsabilités. Si en ce moment, euh, l'enquête euh, détermine, c'est-à-dire aboutit au fait que vraiment l'Assemblée n'est pas impliquée, c'est tant mieux. Moi, je pense que ça doit dépasser vraiment une simple action vraiment d'un fonctionnaire de l'Assemblée. vous Et ce qu'il faut aussi décrier dans ce genre de choses, c'est qu'il faut vraiment que euh, l'attribution de certaines pièces de l'État, telles que les passeports diplomatiques, telles que par exemple les badges officiels autres, la soient contrôlés. Parce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui, des gens qui ne sont pas du tout recommandables de porter vraiment ces genres vraiment fil de la République. Et le plus souvent, ils profitent maintenant de ce statut pour poser des actes indélicats qui peuvent vraiment écorner l'image, vraiment en tout cas, de l'administration ou de l'État du Niger. Issa Madougou, comment expliquer la présence d'un présumé trafiquant de drogue parmi les conseillers spéciaux du président du Parlement nigérien Question à multiples réponses. Moi, tout à l'heure, quand j'écoutais le secrétaire général euh, de, l'Assemblée nationale, <laughs> quand il dit que ça n'a rien à voir, mais, moi je me tourne. Mais comment, eux, une administration peut fonctionner ainsi Vous délivrez des badges, mais aujourd'hui, c'est parce que on parle du Niger, de la deuxième institution du pays. C'est bien normal qu'on dit. On ne dit pas que l'Assemblée est liée dans l'affaire. Ça, n'est pas ce que les gens veulent dire. Mais c'est un conseiller. Comment un conseiller, quelqu'un qui a des activités douteuses et frauduleuses, puisse être conseiller Et spécial du président de l'Assemblée nationale, avoir un badge. Et aujourd'hui, être arrêté, et on va le dire. Et ce qui fait mal, 800 kg de cocaïne. Et on dit, c'est un Nigérien. Voilà le, ça, représente le record des saisies de drogue en Guinée-Bissau. Depuis un certain temps, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un passé récent, oui, depuis 12, 12 ans. Sinon, dans les années antérieures, euh, le pays était vraiment la porte d'entrée. La plaque tournante. oui, de la cocaïne qui vient de l'Amérique latine pour passer vers l'Europe. Donc, ça, moi, je pense que c'est juste une garantie pour eux de donner, parce que vous savez, le pays est en train de vivre une crise politique. Il faut de l'assurance aux partenaires pour qu'ils puissent les aider vraiment à se stabiliser. Donc, il fallait faire vraiment donner des garanties, surtout aux Américains. Maintenant, cette histoire, on ne va pas en finir de pas tant qu'il n'y a pas une enquête qui est menée pour déterminer qui est réellement ce monsieur. Comment il a. On nomme des gens, c'est vrai, mais il faut qu'on arrête au Niger de nommer du n'importe quoi et n'importe qui. Moi, je pense que avant les nominations, franchement, pour éviter cela, ces genres de situation, une enquête de moralité s'impose. Parce qu'on ne peut pas prendre. Je vais vous raconter une anecdote par exemple sur l'établissement des pièces d'état civil au Niger. J'ai un ami qui, qui vient de la sous-région. On est en train de discuter sur des recrutements. Donc, moi, je lui ai dit OK, vous pouvez recruter pour votre structure, mais il faut demander et, eh, eh, à ce que les gens ajoutent un cahier judiciaire. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit le casier judiciaire nigérien est le casier judiciaire le plus nul. Un, voyou qui vient de sortir de prison peut avoir son casier sous un casier néant. Voyez-vous comment la légèreté par laquelle euh, on, attribue des pièces d'identité euh, civile. civil. C'est vraiment, il faut revoir la forme. Et encore, un passeport nigérien. N'oublions pas ce qui s'est passé en Chine, où des gens qui ne sont même pas nigériens se sont procurés nos passeports et ils ont commis des forfaitures où on a dit c'est le Niger. Voilà, c'est l'image du Niger. Pourquoi aujourd'hui les gens sont en colère Parce que c'est l'image du Le Niger n'est pas un pays où on connaît ce genre d'activité. Il faut qu'on arrête cela. Il faut qu'il y ait du sérieux. Nous sommes un pays et un État doit être sérieux dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, dans d'autres pays, vous savez, pour avoir, même avec tous vos documents, avoir un passeport, jusqu'à le passeport nigérien, reste facile. L'accès du passeport nigérien reste facile. Non, il faut qu'il y ait vraiment des mesures pour de contrôle efficace. Et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique qui va être, il faut qu'on insiste là-dessus, la biométrie. La biométrie va permettre aujourd'hui de faire en sorte que même la carte d'identité, ce journal-là qu'on nous acte, parce que l'un des, des, présumés trafiquants arrêtés, il a une carte d'identité nigérienne établie il y a quelques jours même. Vous parlez de quelle, quelle situation Non, dans, la même affaire, à part le conseiller un des chauffeurs qui a été arrêté a une carte, pièce d'identité nigérienne, une carte d'identité nigérienne qui a été établie. Il n'est pas nigérien. Mais qui sait même aujourd'hui Donc c'est la légèreté et la facilité par laquelle on accorde ces pièces d'identité. C'est ce qu'il faut revoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut, l'Assemblée doit mener vraiment, c'est ce que Sidik Ali a dit. Jusque-là, le bureau de l'Assemblée nationale n'a rien dit sur le Mais oui, mais c'est l'image qu'il faut, il faut protéger. C'est l'image il faut sauvegarder l'image. Il ne faut pas qu'on dise que le Parlement nigérien est un nid de trafiquants. C'est ça que nous, on ne veut pas. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, qu'on se promène, on va dire qu'en plus qu'on est dernier en IDH, on va dire que vous êtes des trafiquants. Voilà, c'est déjà d'étiquette qu'on veut que qui se s'arrête. Alage Mohamed Souleyman, comment faire pour crédibiliser davantage les institutions nationales euh, Une des premières euh, euh, mesure, euh, nous avons appris en fouillant que ce monsieur est un militant d'un parti politique euh, et nous savons par le passé, il y a eu un autre cas, un député qui serait impliqué dans une affaire de, drogue. Il était une question de lever son immunité. Les géopoliticiens ont empêché que cela soit. Donc je pense qu'il faut que les hommes politiques mettent en avant l'intérêt général pour éviter les liaisons dangereuses. Lorsque les hommes politiques euh, font deal avec les dealers, de, en tout cas les, trafiquants de drogue, franchement, euh, ça va précipiter, euh, je veux dire que la mort de tous contre tous, comme dirait l'autre. Parce que simplement, aujourd'hui, vous voyez, on parle du Niger, cette quantité de drogue, 789 kg de drogue. On dit c'est un Nigérien qui est dans ça, voyez. Ça, rappelle un peu la Colombie, ça fait de notre pays, franchement, euh, et en tout cas en termes d'image, c'est cinéma du Niger qui est, vraiment écorné. On ne connaît pas les Nigériens, en tout cas, sur ce terrain. Et je pense que donc, le premier élément, il faudrait que les hommes politiques euh, se disent qu'il y a des limites, euh, il faut une certaine déontologie que vous ne pouvez pas parce qu'il il, il, a l'argent pour vous financer. C'est un peu ça, apparemment. Donc, vous amenez n'importe qui pour être euh, conseiller, pour être député. Non, franchement, il faudrait que ces gens d'ailleurs s'arrêtent entre en politique La deuxième chose, euh, parce que aussi, selon notre information, le même gars qui a le passeport nigérien et conseiller spécial, il ne serait pas nigérien. Et ça, notre source, elle est sérieuse. Ça aussi, c'est encore plus grave d'apprendre de cela. Cela veut dire que, comme l'a dit tout à l'heure Issa, ce que cela veut dire que et, et on a banalisé l'obtention des postes d'état civil au, Niger. Donc, euh, il y a beaucoup de mesures, en tout cas, euh, euh, franchement, au niveau maintenant, on sait par exemple, il y a un, office au critique qui s'occupe de contre le, trafic, en tout cas, de stupéfiants et la drogue. Il fait des efforts il faut donc davantage euh, donner les moyens, en tout cas, à, ce, à, ce, à cet office. Mais l'autre difficulté aussi, c'est que selon nos informations, souvent ces gens, ces, nos, limiers, font des investigations, amènent la personne en justice, soit maintenant le juge euh, euh, arrive à, libérer. Parce que vous savez, les trafiquants de drogue, vous dire il y a beaucoup d'argent. La politique qui s'émixe dans les affaires. Il y a beaucoup de, de choses, parce qu'en fait, c'est une question d'argent, de la corruption. La corruption, les trafiquants, ils ont beaucoup de, milliards. Ils vont courir pour la, police, ils vont pour la justice, ils vont pour les hommes politiques. Donc, ce qui fait qu'il va falloir qu'on mette en avant euh, l'intérêt général. C'est-à-dire que, franchement, je ne vois pas euh, euh, vraiment l'intérêt, en tant que politique en tout cas, euh, de faire deal avec un, un, narcotrafiquant. voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Boukara Sidikali, journaliste et analyste politique, Alhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Issa Madougou de la radio et télévision Ténéré. Merci euh, à, vous tous, euh, nos auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Euh, rendez-vous demain euh, samedi et dimanche de 17h15 avec Hawa Ousmane pour le forum en Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Merci, au revoir.